mercredi 2 juillet, chers auditeurs et auditrices. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité à la présentation Salamatou Kadri et je suis avec Ali Moukela Ousseini Seno. La technique est assurée par Lawali Issa et Adam Adonwaki à l'édition. Seno, bonjour, comment tu vas Je vais bien Salamatou. Et de ton côté, ça va Oui, ça va. Qu'est-ce que nous avons au menu de cette édition Eh bien Salamatou, c'est par parti pour une heure d'actualité et de divertissement grâce à nos différentes rubriques qui composent cette émission. Nous allons suivre un, entretien de Boubacar Alhaji haji euh, Hamadou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball, sur la situation de ce sport au Niger. Une heure d'émission rythmée par de la bonne musique nigérienne. Chers auditeurs, restez câblés. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec notre flash d'information présentée par Rafika Attaer. Bonjour Rafika. Bonjour nous. Alors quelles sont les nouvelles ce matin Alors pour ce matin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de la brigade de brigade Tiani a nommé par décret pris hier mardi 1er août les nouveaux gouverneurs des régions du Niger. Notons que ces nominations interviennent sept jours après la survenue du coup d'État au Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ensuite, le Niger rouvre ses frontières terrestres et aériennes avec euh, cinq pays frontaliers. Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le CNSP annonce que les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le lac et le Tchad sont rouvertes. À compter d'hier 1er août, elles ont été fermées le 26 juillet, le soir du coup d'État. Enfin, le président du CNSP, le général de brigade Tiani Abdrahman, a instruit hier mardi 1er août les responsables des sociétés d'État et autres établissements publics d'exécuter exclusivement les dépenses de fonctionnement en attendant la nomination des directeurs généraux des sociétés d'État et sociétés d'économie mixte, des présidents des institutions et des secrétaires exécutifs des établissements publics et autres institutions. Il leur est strictement interdit d'engager les ressources des entités sous leur responsabilité pour, les, pour des finalités autres que celles du fonctionnement. C'est tout pour ce flash d'information de ce matin. C'est nous. Merci euh, Nefissa Adamou. Eh, j'allais dire Rafika Atayer <laughs> pour euh, toutes ces informations fraîches. Alors, euh, chers auditeurs, ce matin, nous allons suivre euh, un entretien avec Boubacar Alaji Hamadou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball sur la situation de, la, de cette discipline au Niger. Effectivement, ce nommé, avant d'écouter l'entretien, je vous propose notre première balade musicale Gengyo de l'orchestre Tobal de Dosso. On écoute. Genjiyo, cher auditeur, veut dire tout simplement la girafe. C'est le titre de ce magnifique morceau de l'orchestre Toubal de Dosso que vous êtes en train d'écouter. Euh, une chanson qui décrit euh, la beauté splendide de la girafe qu'on retrouve généralement dans la commune rurale de Kouré, un patrimoine culturel qui apporte des merveilles à la population nigérienne, n'est-ce pas Salamatou Et eh oui, c'est nous, il faut noter que pendant des années, la réserve de Kouré a été un véritable sanctuaire des girafes à Peralta. leur nombre est passé de 50 individus en 96 à plus de 900 en 4 en 2001. Les populations locales d'abord, puis les ONG ont partagé du braconnage ces grands mammifères devenus une véritable attraction touristique au Niger. Effectivement, Salamatou, et parlant de braconnage, l'artiste Hassan a dit dernier, le chef de l'orchestre Toubal de Dosso invite dans ce morceau les Nigériens à prendre jalousement soin de cette faune sauvage riche et diversifiée, cette merveille hein, que la nature leur a donnée et qui est une une richesse incontournable qui contribue pleinement au développement économique du pays. L'orchestre Toubal de Dosso est une formation musicale du Niger. Il est créé en 1995 par Dr Ousmane Yaye et ses amis. C'est en septembre 1997 que l'orchestre se révèle au grand public. L'orchestre Toubal compte à son actif deux albums, Gozomburo » Bureau et Katiboto est un opus spécial en hommage au chef d'orchestre Hassan Issa Kadi, dernier décédé. On dira paix à son âme. oui, après cette pause musicale, chers auditeurs, retour au studio avec euh, notre première partie de l'entretien avec le secrétaire général de la Fédération nigérienne de, euh, de basketball au Niger. Il s'agit bien de Boubacar Al-Haji Hamadou. Il est au micro de Salamatou Kadri. Expliquez-nous un peu la situation du basketball au Niger. Au Niger, nous avons, en plus de la fédération, huit ligues régionales. Donc à Agadez, à Difa, à Dosso, à Maradi, à Tawa, à Telaviri, à Zander et à Et nous avons au total 28 clubs qui sont répartis comme suit. À Agadez, nous avons 5 clubs, dont l'Urana d'Arlit, Sonichard de Kirozérine. À Agadez, nous avons Espoir de l'Aïr et Miskini à Monsieur et en Dame. À Difa, nous avons AS Lada, donc un seul club. À Dessous, nous avons deux clubs, donc euh, c'est un en monsieur et un dame. À Maradi, nous avons quatre clubs, AS Olga, nous avons Espoir Basketball Club de Maradi, nous avons RMC et ERMC et RM, donc quatre clubs à Maradi. À Tawa, nous avons deux clubs, AS Ader de Tawa et AS Scorpion de Konni. À Telaberi, nous avons AS un seul club. À Niamey, nous avons 10 clubs. Et Lazaf, The Cano, Magic Girls, SGNN, Dream Team, New Team, Team Momo, JBS, SUAM, donc euh, Sigfe, fait à Niamey, nous avons 10 clubs. Au total, nous avons 28 clubs de basketball au Niger comment se passent les compétitions nationales et internationales Au niveau des compétitions nationales, les compétitions majeures sont la Coupe du président de la République. À l'époque, on appelait ça la Coupe nationale, mais à partir de 1994, donc on a dénommé ça la Coupe du président de la République. Et nous avons le championnat national. À ces deux compétitions majeures se sont ajoutées la Coupe Martin Luther King Jr., la Coupe Rosa Park et récemment une nouvelle compétition, la Coupe du Président, euh, la Coupe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Pour les compétitions internationales, donc euh, là, les équipes nationales et les clubs. Donc euh, concernant les équipes nationales, donc, euh, en 5 contre 5, parce au niveau du basketball, il faut nuancer. Nous avons le basketball 5 contre 5 classique et euh, une nouvelle version qui est arrivée récemment, qui est le basketball 3 contre 3. En basketball 5 contre 5, le Niger a participé à deux Coupes d'Afrique en dames en 2000 en Tunisie et en 2005 à Abuja au Nigeria. Donc en 3 contre 3, le Niger a participé aussi à deux Coupes d'Afrique et en 2017 à Lomé au Togo et en 2019 à Kampala en Ouganda. Donc euh, là, il faut expliquer que dès l'apparition de du basketball 3 contre 3, le Niger a voulu mettre ses efforts au niveau de ces trois contre 3 et ça a payé. Ça a payé parce que un moment donné, le Niger était classé premier en dames et quatrième en messieurs en trois contre 3. Donc euh, voilà pour ce qui est des compétitions internationales au niveau des équipes nationales. Et il faut ajouter aussi que le Niger a eu à participé à quatre euh, tournois de solidarité, à l'époque financés par la coopération française, donc euh, qui euh, regroupait quatre pays, dont le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Le Niger a eu à gagner deux fois cette Coupe de solidarité en monsieur, une fois en dame. C'était là notre euh, première partie de l'entretien. Chers auditeurs, faisait un deuxième tour en musique avec le Twitter Mariam chanté par le euh, feu, par le feu El Hajdaya. c'était Mariam, cher auditeur, chantée par le fait à la Au plaisir de toutes les Mariam, n'est-ce pas, c'est nous. Maintenant, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a à dire sur al hashtaya Eh bien, Salamatou, euh, il faut retenir que le feu Alajitaya est un musicien et chanteur nigérien. Il est incontestablement euh, la figure la plus emblématique de la musique moderne nigérienne. Pionnier de cette musique, il domina la scène musicale dans les années euh, des indépendances jusqu'à sa mort. Ce nom, pour ceux qui l'ont connu et côtoyé, parlent d'un artiste hors du commun, dévoué et très ouvert envers ses semblables. Pour ses proches et collaborateurs, le vide qu'il a laissé est toujours présent. Son nom revient fréquemment dans les échanges entre musiciens et cela à cause de tout l'héritage qu'il a laissé. Pour beaucoup de jeunes musiciens, il demeure une source intarissable d'inspiration musicale. Effectivement, c'était Mariam chantée par le fait Alajitaya. Poursuivons notre deuxième partie de l'entretien avec euh, le secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball au micro de, euh, au micro de euh, Salamatou Kadri, bien évidemment. Et pour les clubs, comment se passent les compétitions Maintenant, s'agissant des compétitions internationales concernant les clubs, donc euh, jusqu'à une date euh, récente, il y a une compétition africaine qu'on appelait la Coupe d'Afrique des clubs champions. Euh, depuis 2020, euh, ça a changé de dénomination, on appelle ça la Ligue africaine de basketball. À ce niveau, euh, il faut remonter jusqu'en 2014, la SBI a participé à cette Coupe de clubs champions au Burkina Faso. Et depuis 2014, il a fallu en 2017 pour que euh, la et et ASTT Andam puissent participer à l'OMI au Togo. En 2018, c'était à Cotonou, c'est l'AS Police qui a représenté le Niger. En 2020, c'est l'AS Nigelec qui était qualifié au premier tour à Cotonou, au second tour à Yaoundé au Cameroun, l'AS Nigelec n'a pas pu se qualifier pour les phases finales qui se sont tenues à Kigali au Rwanda. En 2021 encore, c'est l'AS Nigelec qui a représenté le Niger. Elle s'est qualifiée à Conakry en octobre 2021 euh, et était en décembre 2021 toujours à Yaoundé pour la seconde phase qualificative, là aussi, l'AS Nigelec n'a pas pu se qualifier pour les phases finales à Kigali, toujours au Rwanda. Et en 2022, c'est l'AS Nigelec qui a représenté le Niger et cette fois-ci, c'est le Niger qui a organisé euh, les éliminatoires de la zone 3 pour euh, cette euh, Ligue africaine de basketball à Niamey du 21 au 23 octobre. Donc, euh, il faut noter que malheureusement, devant son public, la Sénégalais n'a pas pu se qualifier pour le second tour. Donc voilà en ce qui concerne la, compétition. Euh, internationales africaines concernant les équipes nationales et les clubs. Est-ce que dans nos régions, on organise aussi des compétitions de basketball Il y a des camps de basketball qui s'organisent euh, dans les régions chaque année. Donc, là, en marge des coupes euh, Martin Luther King et Rosa Park, les camps de basketball sont organisés pendant hum, trois jours. Donc, voilà grosso modo ce que nous pouvons dire euh, concernant euh, le basketball. Donc il faut retenir que au Niger, nous avons 28 clubs répartis sur les 8 régions du Niger et Niamey a le plus grand nombre de clubs avec 10 clubs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur kalango Le Niger sur kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio kalango Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, place à notre rubrique hebdo qui nous parle de l'environnement. Au Niger, le mil représente en moyenne 75% euh, de la population totale de céréales cultivées, estime le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Mais aujourd'hui, sa culture est confrontée à des difficultés qui, selon les spécialistes, sont liées au changement climatique et autres calamités. Cependant, pour euh, sauvegarder cette céréale, des chercheurs nigériens euh, expérimentent euh, le croisement des diverses espèces de mille afin d'avoir des variétés plus résistantes. Jibo Moussa, technicien à l'Institut de recherche pour le développement IRD, explique il est au micro, il est interrogé par Asumana China. Ces variétés sont les variétés qui ont résisté à toutes les calamités naturelles que nos parents ont vécues, telles que les famines, les chasseresses. En tout cas, le local n'a pas trop d'exigences. Mais son exigence, c'est le côté hydrique, la pluie. On voulait vraiment la pluie. Si le, la pluie sont partie dans le temps et dans l'espace, tu trouveras une bonne production. Par contre, euh, avec le temps actuel que nous courons, où les pluviométries viennent en retard et ça finit très tôt. C'est ce qui fait un peu que les variétés améliorées sont en train de remplacer les milles locales qu'on a de nos parents. Mais pour cela quand même, on a conservé cette diversité et qui sont là jusqu'à présent. Avec les mêmes conditionnements, si tu les sèmes dans un milieu, dans les mêmes conditions que l'améliorer. Ça dépasse l'améliorer. On a fait ça en essai dans la région de Terra. On a vu que les, les poids dépassent largement les améliorés. Et les paysans aussi préfèrent le local parce que c'est ça qu'ils vont attacher en bottes. Et les améliorés, généralement, ça ne s'attache pas en bottes. Rares sont les améliorés qui s'attachent en botte. Donc pour cela, le paysan, jusqu'à présent, n'aura pas confiance à ces améliorés parce que les améliorés demandent de l'apport en engrais, le travail dans le temps et aussi le traitement phytosanitaire, donc suivi net. Par contre, euh, nos vieilles variétés dans la bourse abandonnées, une année après les cultures, tu les verras pousser dans la bourse et ça donne bien. Est-ce qu'on peut connaître ces variétés à travers euh, des noms Ils ont des noms Ces variétés, quand on dit Hainikirai en germain, c'est un nom de famille. Le Haini regroupe et le somnon et le Hainikirai. Comme on le dit Hatsi en Hausa, mais ça regroupe le Maiwa et le Gero. Donc, ces variétés sont des sous-groupes. Quand tu dis Hainikirai, dans la variété Hainikirai, tu as le zongo, tu as le bondabia, tu as le kolala, tu as le gassama en Hausa, tu as le chumo dans la région de Terra. Donc il y a toute une multitude de sous-familles. Comme vers euh, Difa, il y a le Moro, il y a le Fidewa, il y a aussi le Boudouma. Donc vers Tanout, tu as l'Ankotes. Tout ça sont des variétés à euh, qui, ont, qui sont les précoces. Et c'est de même que dans les euh, variétés tardives, qui s'appelle Maïwa ou Somnon en germain, Maïwa en Hausa, ont des sous-familles. Il y a le Somnon Changare et le Somnon Saï, il y a le Somno Bi. Donc il y a tout un nom de famille, ils sont là, ils ont des sous-familles. Hmm. Quelle est leur durée pour euh, le temps pour euh, la maturité Ah, la précocité dans les trucs. Donc, il y a pour les précoces, vous voyez les mille de euh, de verre d'Ifa là. À 60 jours, tu as de quoi à manger. 60 jours après semis. mis. Hmm? Donc, tu as de quoi à manger. Euh, vers le, le, Niger centre et le Niger ouest, il y a les différentes variétés qui durent entre 85, 90 à 120 jours. Mais pour les variétés tardives, ça va dans les 150 à 170 jours. Et ça, c'est pour cela que ça ne résiste pas à ces temps actuels ça a migré du nord vers le sud à cause de la pluviométrie. Le maïwa, ou le, le en Hausa ou le somno en germain migre avec euh, l'humidité parce que ça prend trop de temps. Par contre, c'est cela qu'on ne le trouve pas pratiquement dans le nord actuellement, mais on le trouve plus au sud, dans la région de Tamou, euh, vers, Niamey, et dans la région de Gaïa, vers la région d'Androsso, et vers Koni, dans la région de vers Maradi, un peu le sud, et Zender aussi le sud. Donc c'est vraiment dans le sud euh, avec l'humidité qu'on appelle trouve le maïwa qui demande, qui dure jusqu'à 150-170 jours. Mais les précoces, c'est entre 85 à 120 jours. Hmm. En, tant que technicien, quelle comparaison faites-vous entre la qualité de ces jarres 2000 euh, et, de, et celui amélioré en tant que technicien, chacun a ses, importances. C'est-à-dire, pour un pauvre, l'essentiel c'est d'avoir les pluies. Pour un pauvre, il préfère le local, l'ancien, que je te montre ici, qui, représente la, qui a la représentativité du Niger. Pour un pauvre. Parce que, mais pour l'améliorer, c'est quelque chose avec les temps qui est précoce. En plus, mais ça, ça a trop d'exigences. Les exigences sont les différentes apports d'engrais, le travail dans le temps et les suivis sanitaires. Tu vois l'inconvénient. Par contre, le local, pour le pauvre, il suffit de semer. Quelle qu'en soit la pauvreté du sol, quelle qu'en soit la longévité du temps de travail, quelle qu'en soit la rareté des pluies, quelles qu'en soient les attaques, en tout cas, ils ont trouvé leur semis, ils vont trouver leur récolte, quelle qu'en soit la petitesse de la quantité. Pour cela, je dis bien qu'ils ont résisté à toutes les calamités de, ce que nos parents ont vécu. Donc malheureusement, ces variétés sont en train d'être dépassées. Effectivement, ils sont en train d'être dépassés mais ils n'ont pas quand même, on ne devrait pas quand même les laisser disparaître parce qu'on ne sait jamais les conditions climatiques. Si cette année il n'y a pas assez de pluie, peut-être l'année prochaine il va avoir assez de pluie. Si nos États arrivent à avoir, faire développer les différentes formes d'irrigation. Le mil a besoin d'être irrigué. Donc le mil local peut être semé en avance, irrigué, c'est une question de moyens. C'était là la rubrique hebdo, chers auditeurs, qui font ensemble la tabou de l'artiste ZM, la reine de la musique hip-hop féminin au Niger, et un avec John Sofa Collet. je dois partir. Malgré la paix, malgré l'hospitalité, je dois partir. Trop dur d'être jeune chez nous, vivre, fardeau fatal. Dans nos têtes, le doute s'installe, que c'est dur, dur de douter de son avenir. Triste de savoir que pire sera le lendemain, dur de ne pas savoir comment en finir. Je dois partir à Paname ou chez l'oncle Sam conscient de tous les dangers. Je sais que là-bas, je serai comme un naufragé. Mais je saurai nager. Je dois partir car j'ai honte. Honte toujours tendre la main. Maître de toutes mes facultés, faut que je gagne mon pain. Je m'en vais là où l'espoir est possible. Même si là-bas ma vie serait jamais paisible. Où mon visage triste passerait invisible. Je partirai car chez moi la jeunesse est sacrifiée. L'alternance est modifiée à son propre sort, elle est liée. Et oui, Tabou un titre qui décrit euh, les, principes, euh, les principales causes d'exode chez bon nombre de jeunes africains qui difficilement prennent la décision d'aller euh, à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de l'Occident, malgré euh, les difficultés euh, de s'aventurer dans cette aventure. Quand même, la jeunesse arrive à prendre ses risques, n'est-ce pas, Salamot Eh oui, c'est nous. Beaucoup en prenant cette décision exposent leur vie à des dangers permanents parce que la majorité ne prend pas les voies légales de l'exode. Dans l'alcool, ils ont dans l'échec familial, souvent dû au manque d'emploi, la misère les a cloués dans leur tête. C'est sûr que de regret de ne pas avoir fui quand c'était possible. Avant que la vache ne devienne vraiment maigre, je dois partir. Peut-être qu'un jour à leurs yeux, je serai crédible. kalir jajaya kumbogo kasar kubar machire galmago ko korbo bero chire haine ka wo mato fubore date na ji fu bore na gawi wo ga dur imadan kwara inkinai La labo dungaro sigan jamaye Darme dulla alni mola gahe mola biyo da dulla mesfai kere de la baba dulla mola maye tabu size aika sambai voilà, à l'instant, c'était le titre Tabou un featuring entre euh, la guerrière du mouvement rapologique ZM en featuring avec John Sofakoulé. Chers auditeurs, c'est l'heure pour nous de découvrir le, reportage Région. Nous amène à la découverte de la mare de Babaye de Tawa avec une superficie de 5 hectares, dont 2 hectares de fond. Cette mare est située dans le quartier Koweït de Tawa. Elle est le terminus de toutes les eaux de ruissellement de la ville. Et oui, c'est nos mares sacrées, jadis et socle de référence Day Asna Ahmadou Salatou. Salatou, historien de Tawa, nous en dit plus sur la mare de Babaye. Il est interrogé par Adamou Idrissa. To abin da sani aka faɗa mu daga tabkin babaye, fare aka ce gumbi, tabkin babaye tabki na da ɗaɗɗe wanda tun lokacin da gari shike guntu-guntu na tawa lokacin da akwai wani garka da aka ce ma diringi akwai wata garka da aka ce ma garka garka garkawa kenan ita kuma diringi tsimitau kenan akwai garka bilbis akwai garka gidan hoku akwai garka aduwawa garka azina to lokaci ne suna ka ba da salar wagawa da abin gaske in turun ga buga kai ne to idan aka je shi wannan turun ya kara wannan yana nufin mutane su yi gudu su nemi mafuka a nan cikin wannan gumbin kuma kowane irin farmaki ne aka zo da shi eh, ba za a kai gare su ba iyalin suna suka boyewa in sun ka boye iyalinsu su dattiza na gari masu shin kansu suna ka hitowa sai abin da ya ƙare sa'annan su koma ce mutanen su ga abin da ake ga abin da ake sai a hito awo ya zama kamar maboya to ga labarin naku yaya aka yi shi wannan gombi ya zama babban tafkin da ke ajiye ruwa har na tsawon shekara. wannan shiku lasaru lasaru bisa bisa su na son ka sa an ka gina shi ya zan tabi kenan dama an haɗa musu na tarihi na to da sun ka ga iya kama ruwa ba shi dadewa sai sun ka sadu an ka kashe abin nan an ka gina shi shi na an ka ma aiki na wanda aka ce ma aikin banza amma da aikin banza wa ga shi ya unhwana ma'ana kenan akwai hanyoyin da aka bi wajen gina shi ko ya adama na sun ka gina shi da hannuwa da kalumma sun ka gina shi da bambarin ne sun ka kara mai daraja yadda haka nan an lura da tafkin babaye shina da wa'insu tabi'u na kowace shekara ta Allah yakan cin dan adam namiji ko mace babba ko yaro to yalla wannan yana da asali ganin cewar ma duk lokacin dan adam ya hwada cikin rasa rayuwa ta yi kafin a fiddo shi sai an sha baka wahala kuma akan ganin wasu alamu ko na fita jini da su ga jikin nashi wannan yana da asali duk wannan kuma akwai wata mayanka ta mutanen bilbista wata garka da aka ce ma gidan kaba suna kayan yanka sai ana ganin kamar tsahi na aka nan wani abu iya samu mutum nan sai mutane na ca doguwa ta koko abu amma da bamu sani ba ko ba gaskiya to akwai lokutan da yake ƙetare shekara ba tare da ya ci na adam ba to wannan dada a bana na daga shekara ai akwai shekarar da ba shi ci akwai shekarar da shika ci makarambanta in sun kai kansu to ga sanin ku shi wannan tafkin ana iya a azamai kama shekara nawa yanzu Shi na da tarihi da yawa tun da aka ce tun tun da bai zaka shi kenan kuma mutanen tawa su kenan tabki na da dadde wanda kowa zaka da dai tawa dai ya iske shi ni yanzu in ce zan ma shekaru nayi ƙarya ɗaya zan husa ma to me ke sawa a kowace shekara yan gado yan azaliya ma'ana masu gabatar da korar bori sukan tafiya can a zagayen wannan tabki na babaye domin gabatar da wasu roƙe-roƙensu na al'ada da azaliya. To kasa yanzu sallah ta cika gari. sun daga ta cika gari yanzu haka ne da a ce ta yanke yanke a koma dariya ta yi yanzu da babu asina ta sallah na aka yi ta yi. Duk lokacin bori idan shekara ta kama 'yan bori sukan tafiya wannan tafkin babaye har masu gabatar da wasu yanke-yanke ko? Kewo wala suka yi saboda al'ada wanda sun ka ga uwayensu na kewo shi da suka kewo shi kenan hangon diringi kenan itace na a ciki ne da yawa maboya ta to lalle an faɗa mana an ce su sarkaka su malga su abubuwa da yawa da itace na an dangane amma iske su duka saura amma saura ba mu gane su ba ko da mun ka taso dai an gina shayi zan tabki. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous du Niger sur Kalango avec deux sports. Soumana Amadou, notre chroniqueur du jour, est avec nous. Bonjour Soumana. Bonjour. Soumana, l'actualité l'oblige, nous partons pour Kinshasa où se déroulent les 9e Jeux de la francophonie. Les sportifs nigériens sont en compétition. Justement, Salamatou, hier euh, en tennis de table, le Niger a perdu face au Liban en huitième de finale en double mix, c'est-à-dire 2 contre 2. Les compétitions préliminaires en individuel se poursuivent au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Après la médaille d'argent de Abba Ibrahim en lutte olympique, qui a finalement abandonné le combat pour la troisième place, donc euh, Samira Awal, elle a décroché une médaille de bronze en course de 400 mètres et Sagirou Badamasi a terminé deuxième sur les 110 mètres haies. Il obtient une médaille d'argent. Donc les filles non-voyantes ont aussi décroché deux médailles, Donc une en argent et une autre médaille de bronze. En course donc, de 100 mètres, la catégorie c'est T13. Au total, donc, le Niger a empoché cinq médailles mm pour le moment, mais aucune en or. Et quel est le programme euh, suivant pour les sportifs nigériens Oui, aujourd'hui, les judokas sont entrés en compétition et cet après-midi, à partir de 16h heure de Niamey, il y aura le match de football qui opposera le Niger au Liban. Demain 3 août, les lutteurs nigériens donc, euh, vont participer à la lutte africaine. Et c'est tout pour cette actualité concernant les cinquièmes Jeux de la francophonie. Merci bien, Soumana. Hein, pour, euh, le 9e juin. Hein. Ok, 9e <laughs> juin de la francophonie, bien évidemment. Merci bien, Soumana, hein, pour euh, toutes ces infos sportives, euh, pour notre rubrique portrait, mesdames et messieurs, nous allons à la rencontre de Binta Ilia, célibataire. Après euh, ses études primaires, elle est actuellement animatrice à la radio alternative de Niamey depuis 2003. Salamatou, n'est-ce pas Eh oui, c'est nos deux son bas âge. Binta Ilia a commencé à utiliser les produits cosmétiques. Elle nous raconte les raisons qui l'ont poussée à se dépigmenter la peau. Hawa Ousmane dresse son portrait, on l'écoute. Animatrice dans une radio à Niamey, Bint Ilia a commencé dès son adolescence à utiliser les produits cosmétiques qualifiés d'éclaircissants. Elle donne les raisons qui l'ont poussée à appliquer ce genre de produits sur sa peau. J'utilise les produits cosmétiques depuis mon adolescence. Je ne peux pas vous donner la date exacte. C'est sûrement dû à l'adolescence. Si tu vois ta peau blanchir, cela te pousse à continuer. C'est la nuit que je passe la pommade et je masse. Je n'en mets jamais pendant la journée. Après plusieurs années, depuis trois ans, Bint a jugé utile de mettre un terme à cette dépigmentation par peur de contracter une maladie de la peau, a-t-elle expliqué. J'en avais marre, c'est pourquoi j'ai laissé tomber. Et aussi, à chaque fois, j'entends les gens dire que l'utilisation des éclaircissants peut détruire la peau. Déjà, on prend de l'âge, vaut mieux les laisser. Il y a des femmes qui s'éclaircissent la peau même à l'âge de 50 ans, 60 ans. À l'époque où j'utilisais les éclaircissants, j'ai pu payer beaucoup de pommades sans même payer à manger, puisque j'ai me si je paye à manger et que je n'ai pas la pommade, je ne me sentirai pas bien. Avec les éclaircissants, dès que tu fais un à deux jours sans les utiliser, ça va se savoir. Je ne paye pas une seule boîte, mais deux à trois pour stocker à l'époque où j'utilisais les éclaircissants. Désormais, Bint Eliassien s'est engagé à sensibiliser les femmes et les jeunes filles à bannir l'utilisation des produits éclaircissants. En tout cas, depuis que j'ai abandonné les éclaircissants, quand je vois les femmes les utiliser, elles me font pitié pour la santé de leur peau. On sait que c'est dangereux, mais dès que tu prends la décision de laisser tomber, tu vas y arriver. J'attire vraiment l'attention des femmes et des jeunes filles d'abandonner les éclaircissants, même pour ta santé. On ne les souhaite pas. Tu peux contracter une maladie de la peau. Et si on doit te faire une opération, les points de suture ne tiendront pas. Et même si la suture tient, ça va pas vite guérir. Je lance un appel aux femmes de laisser tomber car ce n'est pas une bonne chose. Bint Ilia est la seule qui utilise les produits éclaircissants dans sa famille et cela déplaît aux autres membres. Madame Ilia shama est fière de sa fille pour avoir abandonné l'utilisation des produits éclaircissant. C'est comme une tendance mondiale qu'elles suivent. En tant que parents, nous attirons leur attention sur l'acceptation de leur teint naturel et de ne pas renier l'apparence que Dieu leur a donnée. Mais elles ne font qu'à leur tête. Maintenant qu'elles ont vu les conséquences, elles ont regretté. Moi, je suis de teint clair naturellement. Je n'ai rien appliqué. Maintenant qu'elle a laissé tomber les produits éclaircissants, je suis fière d'elle, même si elle n'a pas encore récupérer son teint naturel. Aujourd'hui, à 43 ans, Bint Elia ne blanchit plus sa peau. Elle dit se sentir bien dans sa peau au teint naturel. Elle souligne que rien au monde ne lui fera retomber dans ses travers de documentation volontaire. Merci Hawa Ousmane pour ce portrait, chers auditeurs et auditrices, reportant à musique avec Peace and Love de Hamdi malam

lunchi muzomuzamu gudado za lunchi muzamu wa gudado mimugola bambanchi konti hankali hankaliya yo jagoranchi nous voulons vivre sur terre sans haine sans pleurs dans un monde meilleur où y a pas de guerre où sa vie unie dans l'harmonie puis une belle vie comme au paradis La takalkane inimaga te afrique là-bas imakoy guinée yosibala kaltune wacomatyadi yomaduga koy guinée kakalka naini magate afrique là-bas il m'a guayiné yosiba la kalkune voiture ma jardi yo maduka guayiné dobe namoni mojiangalia kama kamwi jamaa musojuna yakamata musojuna please dobe namoni mojiangalia kama kamwi jamaa musojuna yakamata musojuna on se tue, entre nous on se trahit, entre nous on se vend, entre nous on se haït, entre nous on se tue. on entre nous, on se Et eh oui, Peace and Love, mesdames et messieurs, paix et amour, c'est le titre de cette chanson que vous êtes actuellement en train d'écouter, euh, une chanson composée par l'artiste Hamdi Malan. De son vrai nom, Alhaji Jibo Yahya Ahmed Tujani, il est chanteur, auteur, compositeur depuis 2016. Hamdi Malan chante fréquemment en langue Hausa et en français. Le 10 février 2018, Seno marque la date du concert de la présentation de son premier album intitulé Allah qui signifie rendre grâce à Dieu. Ce concert a été un grand succès grâce auquel l'artiste s'est révélé au grand public nigérien et depuis lors, il ne fait qu'enchaîner des prestations dans les différentes villes du pays. Eh bien, Salamantou, il faut noter aussi que depuis euh, deux ans, il organise des concerts caritatifs euh, chaque rentrée scolaire pour euh, collecter des fournitures scolaires et des vivres afin de soutenir des enfants en situation de difficulté et cette initiative également euh, est salutaire, n'est-ce pas Eh oui, sinon on n'oublie pas aussi qu'en 2000, Hamdi Malin a remporté le premier prix du grand concours panafricain intitulé Ma voix pour l'égalité aux filles organisé par Plan International West and Central Africa. Exactement, Salamatou Hamdi Malan reste toujours dans la vision de sensibilisation et d'éveil euh, de conscience. Actuellement, il prépare la sortie de son projet artistique à travers lequel il vise euh, conquérir l'international. Nous disons bon vent à l'artiste Hamdi. La rubrique euh, Affairage d'aujourd'hui parle de l'incivisme, n'est-ce pas et oui, c'est nous, il est rare de voir certains citoyens poser des actes d'insuvisme lors des manifestations. C'est de cela que les femmes du studio Kalango traitent dans le loti, écoutant Aminata Boubakar et moi-même. Quand new, kan jamani charmorgo to he grave na mandabu. mandabo. ka ka ka ka de gidi ka ami ka yir lambayan te gidi gobu de su ira <laughs> ka newo ka de ni ai ma sabai ga haru ifo no gogin humbugan di ni lakkale kanandi ai mai lakkale kanandi de won sigri te kan bore goga te non kulkin bisa addan gobu yan gisi godi ga non gai kairi addan ni lakkal ni mu dama ni wo humbur komnu hey ame su gun se ai bai mate ke zongu humbur ko mu ga biste go mo ai mu di igo gati kadi ga nongu yan kiri nongu yan bugu ga non kai wa hasara a man teme a ai wai si ga faham fahman dai si ai mun faham si eh, ga faham en si ga di te go ki go ga teno dan ge kan ga bore bisan di imi bugu hmm? igu diga pine yan ton fondara en eh, si bai kan wadi mo ga guduran ai hasar no ah wani ga ti janga bon dumiyam mai ga da iga o me ni di wala la bistare tabbatan diyan mantikala bor mo da chit fonde kan igorandi kwara kara bor goga ba fone ir mu fam ga bai mo kan hasar ki a asto ba ne da porto mayoga to dai fo sai ni gogati to ai fama rawo kai labistare janga beran da yannu da jama ginai janga gaksinai da janga waniyan bafunai jamara hai amana ban si visimo kan igogici a gir lakkalai kendi tinai kan go irgin da bandai bon sanga dangai kan gabo rai bisandi ki goga bogu fonda nya birai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimgi jukkemi ifo kiti fondo sino wadin maganu ai wai bayara niger labu kiti tira sai igine code penal giri zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wahaku kin da ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan igoran di labi zai maga hasara aniya kwaraira handu hinka ga kwai jiruwai kasuno suno a goborabu ya dimmuno iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gidi ai mat jus kwar go tirfa amma singa furna sai kin dora ibai da ki kod bora sai led biora haru wai wai wai wane kulu kwai ni gogati a aghinga te isi bai ki fonda gano iga baiwo isi baiwo ai bai dai kan burkul ki du wa ka ga mata ngo kurora ka dai ga dirmir lambayan te go ko nan kirgu tugu bisa dai bi ba niske ci gisalan yi se nin kan ga faham kaina ha ifalai ta se yan ga nse ba ai ni bai kirgu ga cargan yan ga nse ba kalai hinge zai wo mi dorai se ai mu koi gisalan yi se ni ga di mata kan yi goda ba ni mu ne mu ai giti humbur koma to ani ka dai mir labbente musu musu go koi nun go kirgu koi ga fatta ma wora <laughs> Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le, la rubrique euh, Loti du desk euh, femme du studio Kalangu qui a bien évidemment traité de l'incivisme. À présent, découvrons la culture linguistique avec Moussa Hassan qui va nous expliquer le mot Gaïa en Zarma. Oui, en fait, euh, merci Seno, merci Salamotou. le mot Gaïa, en fait, en français, ça veut dire travail collectif il s'agit d'un ensemble de personnes participant d'une manière concertée à une entreprise quelconque, mode de travail dans lequel des personnes interagissent pour atteindre un objectif commun. Mais au Niger, ce système de travail est utilisé sous forme d'entraide au sein des communautés, notamment en milieu rural, particulièrement en cette saison de pluie pendant laquelle, à toutes les étapes des travaux champêtres, un membre de cette communauté ou bien de n'importe quelle des communautés peut solliciter l'appui des autres pour franchir l'étape qui lui pose problème, afin de ne pas perdre une partie de sa production. C'est une action qui peut s'organiser aussi volontairement par la communauté pour aider un démuni, des orphelins ou bien un vieillard qui n'a pas de bravadine, ou par complaisance pour un leader religieux, d'opinion, ou une autorité, un directeur d'école, un major, un préfet ou quelconque, ou n'importe quelle autorité administrative ou par complaisance un homme pour sa belle famille ou bien qui a des relations particulières avec cette personne. Donc euh, le travail collectif peut aussi s'organiser dans plusieurs autres secteurs d'activité de la vie des communautés, pour la construction d'une maison par exemple, creuser un puits, faire des classes d'une école, euh, tracer une voie entre deux villages et bien d'autres actions. Hmm. Mais en Zarma, ce travail collectif, on l'appelle Bougou. Bougou degiti goyi Matka, Niger labura yi donada ka igite wani wana kauyera. Hari kan ka borfo ga amu goyi fo kan ba manga sai gasandi. Ni faro ba subogu ba gindi wala matano yarno zobuno agba de mangin sai nigi jindan kwara bore im kampa danise. Kwara bore mbu gini binega im char marugu kwekate kate barkasin di na se am char do tiji kasin da bali balijiyan wala ala tumiyan kayan faro bag mangi se igate ise wala kwara bore mu di bor beri fo alfagano bankori no wal gai manda e mandire anni nge mu ka te ase bugu wala binkane wane zure bugu kan borfogin an bugu sijiri mu ka te nga zure yense wala nga mane borfo de kan agawa bogubo dimmo manti fanam hinde gani gata wala kaiji wati igin gata muradu bobo nda fu fucina yan wala lokol ya da ya da fondo ki kayan kwari kan da ke gamra wala far fondo har yanda kan yanga himanda kan bor follon agman gun seni hinne ni gajin dambore ima kaga dinse wala bore im dinge bunga kan ni ba kamar da yan im dinse C'est tout pour euh, ce mot, travail collectif. Merci beaucoup Moussa Hassan, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en foufoulé. n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Sinon, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Sunana Mamman Sani Dauda, ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. To a gaskiya shirye-shiryen Studio Kalangu suna ƙayatar da ni sosai sosai, musamman ma shirin su na mu haɗu a fada wanda suke yi ga matasa. Gaskiya shirin nan yana ƙayatar da ni kuma bana bari ya bar ni. To mu dai shawara ɗaya ce muke so mu ba su akan tunda su suna aiki da yanar gizo-gizo. Suna wallafa duka abubuwan da suka yi a shafin su na Facebook. A Facebook ma muna tare da su. Kiranmu da su mu Afirka musamman ma nan Nijar matasa sun fi amfani da harshen Hausa. Ya kamata a ce idan za su dinga yin post su dinga yin na Hausa za su gani yanda za a dinga bibiyar su ɗari bisa ɗari kamar yanda su BBC ake su Deutsche bala za su gani. Ina musu fatan alkhairi. Muna kuma fatan za su ci gaba da shirye-shirye wanda suka fi wannan ma. Kuma wannan shirin da suka fi na kwanan nan ma, wannan shirin shi ma yana yi sosai sosai. Daga karshe ina gaida dukkan ma'aikatan Radio Studio Kalangu da ma'aikatan gidajen radiyika na Nijar baki ɗaya. Akwai abokina mutar Basiru wanda yake gidan Radio Shukura Zandar. Ina gaida abokina Babaye Gambo, akwai Babaye Lefe, ina gaida 'yan kungiyar haɗin kan matasan afirka na jamila studio kalangu muna jin daɗi muna kuma jin daɗin da ake wayan muna da kai na dangin rayuwa da bidan incin kanmu gaskiya muna farin ciki da shiya muna jin daɗi saboda mu abin nan da an ka buɗa kawai abin gana an kai mana kawai ci gaba na mu mata ana samu cikin sashi ana tunuwa da mu ana waye mana kai gaskiya muna jin daɗi ne gaskiya saboda ci gaban mana sunana muhammad nazir masaud abdulkarim bidiyo kalan gude muna muna mata fatan alkhairi sai dai mu ce daga cikin shirye-shirye da suke akwai shirin na wanda ake kamar bayyana batu na basa fada ana yawan tattaunawa a basa kan abin da yake rayuwar mu ta yanzu eh to gaskiya wannan shirin yana da kyau a ƙara kaimun shi kenan saboda Ko ko'ina cikin ƙasa a rinka jin shi duk da ma dai suna da shirye-shirye masu kyau ina gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman ma ismaila alhaji eh, Isahak. Kuna magana da Ahmadu Mafi Mushkila. Eh wannan shirye-shirye na gidan radiyo wannan mai albarka. Ubangiji Allah ya yabuka shi muna jin daɗi sosai sosai. Alheri ne Allah ya ƙara ɗaukaka shi da wanda suka yi tsaye a kan shi Allah ya ɗaukaka su. Ina gaida duka jama'a kowa da kowa. Voilà, chers auditeurs, pour euh, les titres du journal de ce soir, nous vous invitons à suivre Nefissa Adamou Sirfo pour euh, nous présenter les titres. Bonsoir, bon, Nefissa, bonjour. Bonjour, <laughs> Quels sont les titres de ce soir Demain 3 août sera célébrée la fête nationale de la plantation de l'arbre à édition 2023, couplée au 103e anniversaire de l'indépendance du Niger. Dans le journal du soir, le directeur régional de l'environnement d'Agadez nous parle des préparatifs dans sa région. Ensuite, vous entendrez des déplacements de la région de Difa qui souhaitent retourner dans leur village respectif pour mieux vivre. Et dans le magazine, le président de l'association de défense des consommateurs ADDC Wadata se prononce sur la hausse des prix de certains denrées de première nécessité au Niger. Rendez-vous à 17h. Merci beaucoup Tou, chers auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou de ce jour à 2 août et non 2 juillet comme je l'ai annoncé en début de cette édition. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et Ali c'est nous. Le rendez-vous est pris pour demain avec une autre présentation en bio. Excellente journée à vous. Bye bye.